Il est fatigué, laisse-lui comme ça. Pardon, il faut tenir derrière, ne voit pas bien. Bien, voilà. Voilà, maintenant il voit. Tape sa tête encore. Ah, faut faire doucement, il. Tape sa tête encore. Il va te mordre. Fais doucement. Tape sa tête encore. Ah, fais attention. est fatigué. <laughs> il est fatigué. Il est. Il il fuit. Eh, tu vois, ouais, il est horreur. Lui aussi, il est là. Elle veut le tuer, un coup, c'est fait. Mais elle peut pas. Elle veut le fatiguer, forcé. Tu vois, le personnage elle attrape là. Elle attrape pas fort hein, pour que ça va lui faire mal. Elle n'a pas envie de faire, lui faire du mal. Il est fatigué. Il faut le laisser. Il est vieux Ah. Il est fatigué. Laisse-lui comme ça.